waaw bu fan parrainage bi jàllee ñun dañ ci waxaw ñun ñëpp ñuy waxtaan di def waxtaan boo xam ne ñu xam ne suñu bokk nga ko ñu dem waxtaan ak moom rek dootul nekk ci suñu géej la kese olof tukuleur séeréer ñëpp Sénégal yëpp ñoo ko moom donc ñu fépp fu ñu xam ne mën nañ fa dem waxtaan ci loolu la taxaw waaw ñun ñun duñu taxaw duñu taxaw ñun na ñu ci terrain ci ba le 25 ñu ngi woo nag képp boo xam ne rek bëgg na senegal jëm kanam jàppale la am ndax liggéeykat la Amadou Ba liggéeykat na soxnaam bu bëgg réew mi soxnaam ko si liggéey ba ñun taxaw di ko jàppale ndax jigéen boo xamante ne dafa jàppale jëkkër te jëkkëram nekk liggéeykat ñun bi ñu gisee liggéeykat ñun communauté sociale liggéey képp kuy liggéey dañuy te Amadou Ba ci li ñoon waaw dañ koy gën a dëgëral rek këru mucc bi sax loolu dara xam nga moom balaa muy neex sax nga am ci bu ko defee ku nekk di ko gis waaye bu ñu yeggee ca cappaandaw bi dinañ xam lan lii lii dëgg lii dëgg mooy amul képp bu nekk Sénégal di yeewoo Sénégal bëgg jàmm bëgg avancement jàmm jàmm Sénégal te gis Macky Sall fi mu yóbbu baar da ko yóbbu ba mu faal kon nag fi mu yeggale baar amul rek moo ko mën a très content de recevoir tout ce monde qui fait partie de notre mouvement et je constate aussi la ferveur qui est dégagée autour du lancement de cet événement, qui est un événement qui a été longtemps attendu parce qu'aujourd'hui, c'est le tournant d'un combat et aussi euh, d'une bataille qu'on a euh, bataille qu'on a eu à, mener depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés au point culminant où nous devons prouver, démontrer de notre force, notre force de mobilisation, notre capacité à influencer, à influer le choix des gens pour leur permettre de faire le meilleur choix, qui est le choix du candidat de la continuité. Nous avons, nous avons préparé un plan d'action, un plan d'action qui a été peaufiné depuis euh, plusieurs mois. Et nous avons des bases dans toutes les régions du Sénégal et dans, dans les communautés où nous sommes implantés. Nous avons commencé déjà la communication pour transmettre le message euh, du Premier ministre et candidat, M. Amadouba. Et nous allons continuer de sensibiliser les gens pour faciliter euh, la transmission du message et aussi pousser les gens le jour euh, du 25 février à se lever en masse et à aller voter pour une victoire au premier tour. C'est ça notre combat effectivement, je pense qu'il est, la personne la plus habilitée euh, et, le choix, et le choix est fait par le président Macky Sall lui-même. Donc c'est un choix qui est sans conteste. Donc, euh, et, par sa personnalité, nous avons vu que c'était un homme intègre, un homme posé, un homme d'une grande valeur. C'est aussi un grand administrateur et aussi un homme d'État et un politicien et il est là pour la continuité du travail que le président Macky Sall est euh, en train d'accomplir jusqu'à aujourd'hui parce que le mandat n'est pas encore terminé. Je, ce que je fais, c'est que je leur souris. C'est un jeu politique. Donc je peux comprendre ce genre d'attaque. Mais qui peut accuser le Premier ministre de ne pas être un homme de poil Ça m'étonne. Ça m'étonne. Donc euh, pour moi, ce sont que des attaques en l'air, des attaques qui sont sans fondement parce que derrière, après, il n'y a aucun argument patent pour montrer que le candidat n'est pas le bon candidat.